de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, je suis particulièrement heureux de vous recevoir, vous, vos conseillers, et d'avoir pris part à cette cérémonie importante. Nous avons tous les délégués de quartier, Bougnoune Demba présent des délégués de quartier de Anne donc délégués de quartier vous communiez, sans exception en passant par mon oncle Abdourahim Seck di nuyu bu les femmes de la commune de Hann Bel-Air bu ñu Amélie présidente du comité consultatif des femmes de Hann Bel-Air bu présidente des bàjjenu de de Hann bel également toute cette dynamique de femmes dans la commune de Anne en passant par la Cité Isra, Cité Marinas, Mariste 1, Mariste 2, en fait, pour ne nommer que celle-là, cette jeunesse dynamique, donc de Anne, élèves et étudiants, associations, conseils de quartier, li ma artiste yi wuñu leen dañoo Cheikh jël na kàddu Cheikh gissé di sante di gërëm les frères gissé bu baaxa baax Leyti jël na kàddu au nom de Kaddu Yara, mais en réalité ñom ñoy tay porte-parole képp kuy artiste ak ci lo munti mëna a yëngu ngay rappeur di plasticien di waykat di ñëpp Tour Ndaw Rabine mention spéciale tay li ñu fi dajale euh, docteur si, bu district ñu ngi leen di nuyu bu ñu nee docteur si, moom lépp luy politique sanitaire boo xamante ne moom dañuy def ci district bi ñu dépendre Gaspard Camara donc docteur si moo ko jiite mu teewee cérémonie bi di euh, cérémonie bu am solo donc di ko dalal jàmm moom

bi ci jiitu laboratoire équipement laboratoire bi nga xamné mom nañ fi teg indi ko war installé dafa am ben impact bu mu am ci service sanitaire parce que xam ngeen ne képp ko xamante yaram bi neexul bo duggé ci centre bi dañu farataal di la wax ne demal nga dem laboratoire ñu defal la analyse waaye lolu mo leen di permettre ñu def diagnostic bi ñëk benen bi moy radio numérique bu ñu radio numérique dafay radio de dernière génération motax mu jar lu jar radio buy jar plus de 70 millions ngeen xamné ko da fay radio bo xamantene radio bu am solo la benen élément bi xam ngeen ko dañu nek ci jamono bo xamantene structure sanitaire pour que mu mëna jox satisfaction population ci service ba muy doon dañoo war a garantir sa fonctionnalité 24 heures sur 24 mooy groupe électrogène bi nga xam ne mettre à leur disposition donc loolu dafa bokk ci politique de décentralisation bi nga xam ne euh, loi orienté parce que mais vraiment de manière tout à fait simple te li nga xam ne mission en tant que commune ci 19 communes locales yi dañoo war a mën a assurer benn service de proximité maanaam li ñu bëgg mooy ci biir logique bu décentralisation fépp fu waay nekk lépp loo soxla ci service sanitaire soxlatuloo jël oto pour naan yaa ngi dem ba clinique Pasteur naan yaa ngi dem ba hôpital principal naan yaa ngi dem ba CTO approche bi nga xam ne moom nañu am

mairie dafay taxawu askan dafay taxawu neex néew ju doole ji nga soxla def laboratoire analyse bul ci institut Pasteur da ngay mën tok sur place nga dugg am fa équipement de dernière génération pour que mu mën ka assurer nga soxla dentiste lo dem fenen nga tok sur place parce que installé nañ fa bu yagul chaise dentaire bu wess nga daal soxla yenen spécialité muy gynécologie

loolu dafay loo la ne il faut que population jël ci conscience Benen bi moy li nga xamné dama kay jëmale ci walu équipe personnelle de santé bi nga xamné mom mo fi nek docteur dama bëggone rendre hommage ce équipe bi nga xamné ne yaa ko ci centre de santé Anne sur Mer parce que dafa am un fait qui est réel té nit ñi dañ ko xaw réré mbir si une structure qui tourner pendant 20, 25 ans, 30 ans, ce que je le matériel, il faut que nous renouvelions. Parce que, amortir, l'équipement est fait de pour La zone Les zombies. de la demande est plus de il a des Entre temps,

et les hôpitaux centres de santé de ubbeeku chaque jour donc si nous ci dans les centres approche bi mooy ñu satisfaire cette demande Maintenant, si bu qu'un équipement est panne c'est un problème c'est pour vous dire que dans le diagnostic nous ne justifier difficulté difficultés. amoon yu équivoque parce que défi le centre bu on n'a pas ce problème au Marist, parce que Mariste centre c'est un une équipe qui est compétente on a un excellent manager le docteur Diakhaté mais c'est le moment vraiment aussi de saluer Tahawai auprès des populations Mon mon personnel ba fa nekk ba mun difficultés docteur vous avez un défi qui centre bi Lolo waral matériel bii parce que dafa baax aussi nit ñi mën a comprendre pourquoi ñu dugal fii dugaluñu fële déedéet li am fële amul fii te ñun ñëpp nañuy gérer loolu rek moo ko justifié en tout cas je tiens à le dire fii devant mes collègues élus du conseil municipal que ñi ngi ci seen gannaaw lépp loo xamante ne c'est dans la mesure du possible ngeen exprimer ñu ko ñu danañ ci jël parce que waxtaan bi nga xam ne moom dañuy waxtaan expression de besoin yi ngeen ñu def nous nu amené taï à cette solution alors pour que nous ayons ba c'était un long processus Nous avons commencé parce que si vous deniers publics nga war des marchés publics vous avez des contraintes directement centrales des marchés publics ensuite une procédure yoo xamante lu mais alhamdulillah, taï en tout cas surtout l'efficacité de euh, administration municipale nous avons aujourd'hui à ce résultat en tout cas je vous di féliciter di encourage. encourager docteur Sid, di remercier parce que docteur Sy du de vraiment pour en tout cas les plus nous mën def en bonne intelligence Benel aspect c'est les lieux de culte je pense que tey c'est un thème qui revient je ne me prononcerai pas sur le dialogue islamo-chrétien au Sénégal c'est une réalité c'est une religion c'est un pays un peuple et une foi cela veut dire que dañuy respectante ci nous diine bu faites ne tabaski korité là, mais tous les chrétiens célèbrent la la tabaski et la korité pour vous dire que daf ci am aussi loo xamante c'est une réalité ci liñ koy Dundé, ci dëkkandoo gis nga ni cohabitation bi nga xam ne mooy li am donc lii nga xam en tout cas def nañ ko tey dafay loo pour le conseil municipal c'est plus en tout cas qu'un devoir, c'est une obligation. Et en tout cas, le conseil municipal, en tout cas, s'est engagé chaque année à apporter une subvention conséquente, aussi bien en tout cas aux mosquées qu'à l'église, dont notre paroisse Sainte-Solifine Bakita. Donc, l'ITIDES, moi, nous avons association. Nous avons subvention pour plus de 70 associations. Quand je dis 70 associations, c'est-à-dire que c'est toutes des associations actives. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on aurait voulu à chaque association du jox de mais association il dafa bari moyens illimités. donc si ci que dañuy seet naka accompagner sa et si nous aussi ce débat public en tout cas moi en tant que maire qui préside le conseil municipal je suis très à l'aise pour apporter ce débat Si vous qu'une une association qui est amal en tout cas ci la contribuer de vie venez à la mairie Nous donnons cette subvention c'est sans parti pris parce que man li me reconnaître c'est une association qui contribue au développement de la localité point barre C'est la seule source de légitimité mais damay profiter aussi de cette rencontre pour attirer attention les conseils de quartier notre collègue Ahmada qui est devenu entre-temps ingénieur civil Ahmada c'est un conseiller municipal membre du conseil de quartier de anne Village c'est dommage que le président Mamoudou Diène n'ait mais ce serait un moment pour remercier l'aide rendre hommage au conseil de quartier bu Hann Village mais nous, avons dit porter projet au Hamantane, amener photo des photos, ne bu ma leen ko wonoon ci dans koor bi da nous leen di romb ñoom ñaar ñu avons ci benn ruuxa pendant que nous ONAS ñi curé ñu le projet de pavage c'est pour vous dire que l'intérêt de la municipalité à collaborer avec les conseils de quartier c'est parce que d'abord nous avons cette approche inclusive. Tout ce que tu fais pour les populations, il faut le faire avec les populations. Il n'est pas aujourd'hui important ou opportun pour la collectivité locale d'aller dans un quartier, nous faire en tout cas un projet pour les populations et ne pas réaliser ce projet avec les populations. Et c'est pour ça que tous les projets Yingengis en ce moment en cours dans la commune de Hann quartier sans le conseil de quartier c'est pour vous dire que ce conseil municipal et c'est les dispositions du code général des collectivités locales apporte une importance accorde une importance capitale au conseil de quartier les délégués de quartier les élus du quartier les associations de femmes du quartier les personnes ressources du quartier les imams, le père curé, en tout cas, toutes associations confondues sont membres de fait du conseil de quartier. C'est pour vous dire que nous voulons un rassemblement, mais le rassemblement le plus large que possible. Parce que l'on nous permettre, nous savons véritablement le fait Si le conseil municipal est au quartier, si le maire est au quartier, énormément de choses ne que approcher te lolu moy indi nga xol une situation 2-3 jours ne maire mi ngi sétane alors que maire gisul yegul te kenn jëlul téléphone wo ko ne ko maire li amna mais bu fekkee ne woo nga maire maire deful dara ñu ah maire mi ngi négligé man mako wo mako maa message il est au courant mais il n'a pas réagi parce que aussi une mairie c'est pas le maire hein. une mairie c'est une équipe si chaque citoyen se considère comme étant un élu un conseil municipal mais je veux dire, tu as ta place dans cette gestion d'équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, il faut que les gens s'approprient ce travail communautaire. Donc en tout cas, je tenais encore une fois à encourager cette dynamisme, les conseils de quartier, mais aussi demander aux conseils de quartier de se réunir. Parce que il information il y a des conseils de quartier qui ne se réunissent pas et ça n'est pas normal je ne cite pas de nom mais je veux que les conseils de quartier se réunissent parce que pour il m'est plus facile de rencontrer un conseil de quartier un bureau que ma ma Samba ma ma mais si vous ne organisé et ça, je vous dis franchement, c'est extrêmement important. Donc ce travail de groupe m'a amené à ce résultat. Le conseil municipal que je préside, je ne suis que le capitaine d'équipe d'Anima Takal Brassard. Je n'ai que la signature. Mais, si nous voter, c'est l'ensemble des conseils municipaux, c'est l'ensemble du conseil qui vote. Si le conseil municipal avait décidé que on n'investit pas 100 millions dans le centre de santé nous Am, donc mention spéciale aux élus de Am, à mes collègues. Je vous di et c'est extrêmement important les meilleurs. parce que le rôle du conseil est important ce n'est pas bon d'avoir un conseil municipal d'où que' que kër mais la xew sa c'est-à-dire que amuñu sax fitu ñew seet la parce que est ben engagement et donc, il faut que les populations soient vigilantes conseil municipal c'est extrêmement important légitimité bi maire am bi maire mo le conseil municipal et il faut que cette prise de conscience nit ñi xam parce que état dana dem ba dootul dellu plus ñuy dem plus ñuy renforcer les collectivités locales et c'est pour ça que ñu des collectivité locale de plein exercice donc conseil municipal en bel mention spéciale tey approximativement mon année une cérémonie de subvention aux associations, d'une manière générale, plus de 70 associations, Des subventions aux lieux de culte une subvention c'est une tradition ce n'est pas la première fois parce qu'en 2009 nous avions 400 millions de budget